exécute à la lettre, contrairement aux règles de séparation des pouvoirs, les instructions du pouvoir exécutif, ont vous On revendiqué la libération de Manson. Ce n'est pas une faveur qu'ils ont faite. Il s'agit en fait du respect de la volonté populaire. La libération de Sonko relevait d'une exigence du peuple sénégalais. Ils étaient obligés de le faire. Qu'il n'a fait décrispation peu importe. Qu'il l'appelle des, des, des, des, escalades, peu importe. L'important, c'est que cette mesure qui a été prise vous enseigne de, deux à trois choses. La première chose, c'est que cette mesure, effectivement, conforte et établit la thèse de ce complot qui a été monté avec des procédés sordides qui ne sont pas dignes d'un État démocratique. La deuxième chose, c'est que l'État a compris que force reste la loi et la loi ce n'est autre chose que l'expression de la volonté populaire. Cette volonté populaire, effectivement, a fait reculer l'État. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de libérer Ousmane Sonko. Il s'agit de libérer tous ces détenus politiques. Parler de terrorisme, il ne faut pas qu'il crée d'autres conditions dont il serait les seul responsables il faut que tous les détenus politiques soient libérés. Ils sont nombreux à travers le pays. Je pense que, libération a été Il est libéré sous contrôle judiciaire avec six contraintes, mais nous disons que peu importe, peu importe, l'important c'était que Ousmane retrouve sa liberté. Et il faudrait aussi qu'il trouve les conditions, les conditions juridiques pour mettre fin à ce dossier et qu'il mette fin à tous ces dossiers qu'ils ont ouverts et qui participent en fait, qui, participent en fait d'une escalade et d'une répression politique. Aujourd'hui, il faut que nous retournions, nous retournions à l'état de droit, il faut que nous retournions à l'état démocratique. S'il y a une compétition, qu'elle soit une compétition juste, une compétition saine. On ne peut plus admettre

jàpp ci aussi pour démocratie gën a sax te law ci réew mi jàpp ko pour que aussi lépp loo xam ne amul àq ak yelleefu doomu aadama la ñu jaar ñu ñu delluwaat ci loolu charte yi nga xam ne réew mi da ko teg nit ñu topp bàyyi di def seen pël ku ñu neex ñu néewal la doole ku ñu neex ñu sànni la ci kaso ci kaw loolu procureur de la république ak ministre de l'intérieur bi dégg nga

donc boobu ñun dañuy rester vigilant ñun avocat dañu décider rester vigilant pour que M. monsieur Ousmane Sonko ñu mën koo respecté waaye damay wax ni ki ñun avocat du ci Ousmane Sonko donc ndax man bi may avocat ba de il le fera les heures à venir. avocat bi di avocat Ousmane Sonko nag ñëw na ba wax ak xale yi manifestant yi barrière lañ leen tagal xale yi nag ñu ngi bëgg a daaj ci barrière yi ab barrière lañ jeunesse bi rëcc nañu. xale yi nag. jeunesse bi rëcc nañu xam ni kenn mënoon a tulloon. jeunesse bi rëcc na. waa dégg nga xale yi libéré wul combat bi day continué. dañ leen bàyyi ñoom ñëpp. dañ leen yi nee nañu sëñ bi noo tudd maa ngi tudd Diouf Touré ñëw teew fii tey ngir dëgg waaw Diouf Touré tey gis nañ avocat bi ñëw na wax ak yéen ngeen daaneel barrière bi dem fii ci tribunal bu mag bi non tey lu ñu fi indi mooy jàmm ñu libéré leader Sonko ñu ñibbi ñun xeexuñ ngir Sonko xeexuñ ngir suñ démocratie buñ continuer nii dañuy gën a nasaxal suñ démocratie te Sénégal lépp ñu koy xamee mooy démocratie lu tax ñu ñëw fii loolu la boo ñu xoolee tey xam ne ñëwuñ pour xeex ñëwuñ pour dara dañoo ñëw pour jàmm taxaw kon nag policiers yi xam nañ ko ñoo ñu dindil barrières yi ni dem leen policiers ñu dindil barrières yi ni ñëw waaw kon nag lu ñuy wax ñu ngi masaw coono ñëpp combat bi nag day continuer suñ démocratie la ñuy xeex xeexaluñu lu ñu ñu waxaat ko en plus suñ démocratie la ñuy xeex suñ démocratie la ñuy xeex xeexaluñu Sonko Thank you.